ñi nga xamante ne xamante ne ay jàmbaar lañ nekk responsable de mouvement waaye te moom du candidat bi bëgg Karim Meïssa Wade waaye tàcc na loolu waaye li koy waajal fi ci Sénégal Karim Meïssa Wade woo leen waxtaan ak ñoom xam ne ne ne moom ci ñoom la war a njëkk a dal kon moom mu ngi xaar seen mobilisation bi bu ñëwee Sénégal mobilisation boobu mën ne dafa war a nekk un fort pour le régime actuel. am ñëw seet jël numéro jox ma ko ma woo ko téléphone waxtaan Karim dem Qatar boole moom te depuis boobu ba léegi 2014 ba léegi ma moom ñu ngi liggéey mais man favoriser ma kenn Mon responsable de mouvement c'est le il faut que et sœurs. Notre déplacement ici à Joal s'enregistre dans une optique de remobilisation des troupes des mouvements de soutien au candidat Karim Meissawad pour préparer son retour au Berkaï. Comme vous le savez tous, Karim Meissawad est attendu par des milliers de Sénégalais pour le publicité 5e président de la République du Sénégal. C'est dans ce cadre que nous sommes venus ici à Mbour pour rencontrer ses souteneurs, notamment Ibrahim Lo, qui coordonne ses activités ici le frère Pape Ndiaye Saltike Karim et l'ensemble des responsables du parti. Karim viendra à bonne Le PDS qu'il a investi, le secrétaire général du parti, Maître Abdoulaye Wad, le chargé de la communication, Maître Amadou Sall, sont les seules personnes habilitées à se prononcer sur le retour de Karim Meissawad. La bonne date, c'est la bonne date, c'est à bientôt le parrainage institué par Macky Sall dans une seule optique d'éliminer des candidats susceptibles de le remplacer. Notamment, il a commencé son opération consistant à éliminer les candidats qu'il juge ne pas le soutenir au second tour, de nommer une personne indépendante pour diriger les élections, pour organiser les élections et que chaque citoyen sénégalais qui dépose une caution de 30 millions puisse participer aux élections. Mais la carte d'électeur n'existe plus. Ils ont demandé la carte d'électeur. Mais il n'y a plus de carte d'électeur. Il n'y a qu'une seule carte, c'est la carte d'identité. Il y a un numéro d'électeur. Donc les dés sont pipés depuis le départ. Sur le plan, sur le plan juridique, il n'y a pas de loi ni de texte qui interdisent la participation de Karim Meissawad aux élections présidentielles. C'est Macky Sall qui, tente de mettre en place un arsenal juridique qui tente de s'opposer sur la candidature de Karim Meissa Mais tout le monde, les institutions internationales, la Banque mondiale, l'UMOA, bientôt la CDAO, ils se sont tous prononcés sur la candidature et sur l'inscription de Karim Maïsawad sur les listes électorales. Donc Karim est bel et bien électeur. Est-ce que vous avez une idée sur les listes électorales Nous, on n'a pas le fichier, on ne connaît pas qui est là dedans. Est-ce que vous êtes sur le fichier vous On ne connaît pas les Sénégalais. Vous-même, est-ce que vous êtes sur le fichier électoral Je ne sais pas parce qu'Ali refuse de donner le fichier électoral. Donc, euh, jusqu'au moment où on vous parle, Karim Maïsawad est électeur et il sera plébiscité cinquième président de la République au soir du 24 février. Karim sera bel et bien candidat. Karim Wade est le candidat du peuple. C'est le peuple qui l'a investi. Sans Karim Wade, pas d'élection au Sénégal. je la remercie le Sénégal àdduna bi élection du am sans Karim Meïssa élection du am Je Macky Sall je